jërëjëf joo ñu talalee micro ñu wax si lu ñu def tey jii ñu ngi def benn mooy euh, ñu ngi joxe ay fournitures scolaire si benn école bu nekk HLM et que li ñu def nii dañ koy reproduire dans toutes les écoles jox leen ay fournitures scolaires yoo xam ne daanaka sont les parents la l'APE qui a reçu et qui dina ko partager à tous les élèves loolu dafay bokk si loo xam ne mooy suñu wareef si loo xam ne euh, état bi dénk nañu ko la compétence moi de l'éducation Nous sommes définis donc c'est tout à fait normal et que nous sommes dans notre rôle Nous sommes été notre rôle, nous sommes dans notre rôle, mais nous aussi de par l'expérience que nous avons, minimum soit-il et le conseil municipal euh, a trouvé un moyen pour nous euh, les euh, gens fournitures scolaires des scolaires. Nous avons ko de 20 millions pour distribuer les fournitures scolaires dans tout HLM loolu sax daf may don aussi ça me permet de grimper aussi pour euh, conseil municipal accéder ak et xarañte plus lépp de ñu depuis que nous sommes là. et aussi dire que le conseil municipal aussi ils ont tout fait aussi pour reprendre mon école yi école et que selon le duggee école yi salle de peinture nañ ko aussi plafond et que aussi on a essayé dans l'école où nous sommes dans chaque salle de classe des ventilos pour que au moins les yi dans de bonnes conditions parce que nous aussi nous sommes dans de bonnes conditions et donc vraiment si nous sommes dans de bonnes conditions wareef faire par force je me dis Bonjour, je m'appelle Léna Pereira, je suis la présidente du gouvernement scolaire de l'école HLM 4A. Bonjour Monsieur le maire, à mon nom et au nom de toutes les élèves de l'école HLM 4A, je vous adresse un grand remerciement pour ce don. Vraiment, les fournitures sont venues à l'eau. Nous vous remercions beaucoup et vous souhaitons une grande réussite dans votre mission.